non non kii sama gan la kii sama gan la mënoo leen ko yóbbu ñu bàyyi ma du ma def loolu président je suis désolé. ba tey mais kii sama gan la boo leen may yóbbu yóbbaale leen ko yóbbaale leen ko kii sama gan la ma ko fi indi ma ko fi indi non da ngeen koy yóbbaale yóbbaale leen ma yóbbaale leen ma yóbbaale leen ma doo leen yóbbu sama gan damay ànd ak moom doo leen may arrêté ngeen arrêté ma mais du ma ko bàyyi noonu du ma ko bàyyi noonu ñeneen ñi bu ñu defee seen événement la ñu def ñu def caravane doo leen ko arrêté général may ma quitte le véhicule de la gendarmerie oh capitaine capitaine Attends, mais qui wala ñu yóbbu sama président loolu du ma yóbbu sama président loolu du ma ko yóbbu kii sama gan la président

capitaine, dites-moi pourquoi vous m'arrêtez. vous l'avez déjà dit. Non, vous m'avez pas dit. Vous me Non, vous m'avez pas dit. Non, vous Vous vous Faites doucement. Vous vous faites doucement. Non, non, non. Allez, Allez, Non, non, non. allez, Arrêtez-moi ça. Vous me touchez pas. Vous me touchez pas. Vous me Ne me touchez pas. bon, c'est bon. vous non, non, non, non, je, ne crée pas d'attroupement. Non, attroupement inter. C'est cet attroupement. Non, non, non, non, quel attroupement Celui de Diaroumé. C'est moi qui l'ai organisé. Bon, c'est les informations que j'ai. Non, non, on va vérifier ça. Est-ce que c'est moi qui l'ai organisé C'est que j'ai vérifié. Allez-y dans le Je demande si c'est moi qui l'ai organisé. Allez-y dans le s'il vous plaît. Non, mais je vous le dis deux fois. Non, je vous, je vous pose la question. Vous êtes en état d'arrestation pour attroupement Non, mais quel attroupement Vous y étiez. Quel attroupement André C'est parce que j'y étais que vous m'arrêtez. Non, non, non, non, non, capitaine, capitaine, capitaine. J'étais à, ce rassemblement, vous m'arrêtez. Oui, vous avez participé à cet attroupement. Allons-y, on va arrêter toute la population de Kandjou. On commence par vous Ah oui Allez. Allez-y. Euh, vous avez vu, hein Oui. C'est le, le, préfet, c'est le préfet de Sédou qui a donné des instructions à la gendarmerie pour m'arrêter. Donc, on veut m'empêcher.